Euh, en tout cas, il faut remercier euh, le PDCDR, euh, le projet de développement de la chaîne de bonnerie, accompagné par la BIT, la Banque islamique du développement et l'État du Sénégal. voilà. Ensuite, l'Institut national de la pédologie, voilà, qui était passé de première position pour faire des prélèvements du sol et aller étudier la nature du sol pour essayer de voir quel engrais, quel type d'engrais est, convenable au niveau des, parcelles de Donc euh, voilà, euh, ensuite ils nous ont donné aussi des semences et des engrais adaptés. Voilà, ces engrais on l'a fait rendu ici dans la parcelle là. Nous sommes dans une parcelle de, de, de une parcelle Vous avez pu constater la différence. La parcelle là, on a appliqué l'engrais convenable comme il le faut. Et l'autre partie à à droite, c'est la pratique paysanne. La différence est visible. Donc du coup, nous, on a beaucoup apprécié euh, l'apport de cet engrais au niveau de, la vallée de Gouron. Donc euh, il faut dire de Rabbil Et il faut remercier aussi nos techniciens euh, et les cadres aussi qui s'appuient dans l'agriculture. Ça a vu nettement que son de se d'améliorer effectivement les conditions de vie euh, des paysans euh, de la région, et surtout du département de l'eau. Donc, c'est pas que l'engrais est là, ça va régler du coup tous les problèmes de la transhumance des vallées, pas Aussi, euh, L'aménagement des vallées aussi, ça compte. La parcelle a été agressée. Elle a été agressée par, par, par, par, les tunnels, les fissures, euh, et heureusement, l'attaque a été faite au moment de la phase végétative. Donc, le riz s'est développé à un certain moment. Donc, du coup, euh, il, faut, il faut dire que l'accompagnement doit être plus fort au niveau de, des techniques, c'est au niveau de l'engrais. Euh, nous sommes adressés aussi par le sel et surtout l'aménagement, effectivement, l'aménagement des, personnes, quoi, des valets.

par rapport bii ak bii bu gën mhm. ndax déwén suñu liggéey mën a dem ci kanam mhm. su amee engrais bio bi xam nga boobu day day day day day ci dundal suuf si mhm. engrais bio bi boo koy def toujours kii bi suuf bi day dund suuf bi da dafay dundal donc fu mu toll nii boo comparé bii nii fi nga xamante ni accompagné lan fa ak beneen kii bi faro bi du benn bi du benn dans la vallée du Baol y la commune de Simani et la commune de Mangarongo. Dans les deux communes, il y avait 5 villages, il y a 11 villages. dans les 11 villages, actuellement, dans la vallée compte 22 OP. Les 22 OP, il y a 12 qui sont reconnus. cette année, il y a une grande différence. nous passons, on n'a pas d'engrais. On a acquis le semence, on n'a pas d'engrais. Mais cette année, actuellement, c'est bien passé cette année. On a l'engrais sur ce Cette année, on félicite côté de sévère. Avec le grâce des, des, engrais plus les, les, semences. année, c'est bien passé, cette année. Quoi. Parce que cette année, même, on a un problème de machine. On a quoi, un, seul tracteur, le tracteur de cela gris, c'est dans, les, dans, les dans les 15 communes. Voilà ça que, c'est ça qui nous a donné un peu de problème. Mais à part ça, c'est bien passé cette année. Moi. Euh, euh, la Casamas euh, avec ses nombreuses vallées. Donc cela, avec le, phénomène des changements climatiques, a épuisé les sols. Nous sommes à un stade de, pauvreté des sols très avancé. donc le projet, projet PDCVR, projet développement chaîne de Valérie, en partenariat avec l'Institut national de pédologie, l'INP, voilà, ont initié un programme très ambitieux d'amélioration de la productivité des terres voilà, Parce que nous voulons voilà, euh, faire revenir euh, les, producteurs voilà, aux bonnes pratiques euh, agricoles. C'est pourquoi on a choisi dans, dans les trois régions, on partout de, la Casamance, ça dit cest et Sédiou, des parcelles témoins de démonstration, où on applique, avant tout, on, applique euh, les, amendements organiques pour montrer aux, producteurs qu'on ne peut pas s'en passer des, amendements euh, organiques. Donc, euh, c'est pour prouver aussi que sans engrais organiques, sans apport organique, on ne peut pas avoir de bonnes terres risicoles qui peuvent euh, en premier lieu euh, améliorer la structure du sol. Et si on améliore la structure du sol, on peut en ce moment retenir une assez bonne euh, quantité d'eau dans, dans, les vallées. Mais aussi améliorer la fertilité des sols dans les rizières mais également et surtout euh, rendre efficace la, fertilisation mhm. minérale. Mhm. Donc ça ça, ça, ça, peut nous amener même à diminuer l'utilisation des engrais chimiques mhm. et nous approcher de, de, de, l'agriculture écologique voilà, qui peut être une agriculture. Là où on passe, on voit que les parcelles où on a voilà, on a installé, il y a une grande quantité d'eau voilà, retenue. Donc, ce qui veut dire que ailleurs, si on observe à côté, dans les parcelles paysannes, voilà, non seulement bon, les, les, plantes souffrent de stress hydrique, mais aussi d'éléments de, de, minéraux, donc de, nutrition minérale. donc cela prouve que c'est important, malgré que la pluviométrie est en train de de, s'arrêter, de tendre vers la fin. Mais dans les parcelles de démonstration, on voit qu'on a une, assez, voilà, une bonne lame d'eau dans ces parcelles. Donc, quand on observe que voilà, les plantes ou bien les, plantes dans, les parcelles, si on voit que les, feuilles sont, ont une bonne verrure, donc cela prouve que voilà, les l'alimentation minérale voilà, est, au point. La plante ne souffre pas d'éléments minéraux, de nutrition. Mais aussi, j'ai dit que voilà, l'amendement organique voilà, augmente euh, la capacité de rétention en eau des sols. Donc, euh, c'est le constat qu'on a fait dans, dans, les différents sites. Jusqu'à maintenant, euh, voilà, on voit voilà, une bonne quantité d'eau dans, les... Le projet de développement chaîne de Zogeri, est un projet financé par la Banque islamique de développement et l'État du Sénégal. Donc c'est un projet qui, euh, dans la mise en œuvre, euh, cherche à contribuer à réduire euh, les importations d'huile, mais également à la consolidation de la croissance économique par la production, la transformation et la commercialisation. Et donc ces activités tournent autour de quatre composantes, dont l'augmentation de la production et de la productivité. Et donc, euh, depuis le début du mois, on est en train de faire le tour pour superviser un peu ce que le PDCR a mis en place en termes d'intrants, semences, engrais en termes de formation avec nos partenaires de la DRDR de la Sourate Aujourd'hui, on est là encore sur le terrain avec l'INP pour regarder un autre facteur lié à la production et à la productivité, en l'occurrence la fertilisation des sols. Et donc, on peut dire que l'implication de l'INP cherche un peu à améliorer la base productive des terres agricoles Euh, du potentiel de fertilité des sols en vue de formuler de bonnes pratiques de fertilisation. Bon, ce qu'on a vu ici dans la région de Syrie de manière globale, en l'occurrence euh, dans les trois sites que nous avons visités, euh, à Boudampo, à Sendima et à Soumakunda, on a vu vraiment le comportement des cultures qui se développe bien, mais également nous avons vu euh, l'enthousiasme euh, des producteurs qui apprécient à leur juste valeur, euh, à sa juste valeur, la contribution euh, des fertilisants à développement des cultures. donc pour cette campagne 2023, le PDCV a mis à la disposition de l'INP, l'Institut national de pédologie, 47 129 tonnes euh, de, de fertilisant, fertilisants, 32 tonnes euh, NPK, euh, mais également 47 tonnes de semences. tous ces intrants sont destinés à, aux champs, de démonstration pour la fertilisation du, sol à travers les différentes zones d'intervention. Euh, dans la région de Sédou, nous avons trois sites qui sont ciblés. Euh, ce que je viens de dire, la site à Boudampo, le site à Boudampo, le site à et le site à Nabunda. Et donc, euh, il y a d'autres sites à Corda et à Dinesha qu'on va visiter demain après-demain, pour voir l'évolution et, la mise en place de l'expérimentation avec Oui, bon, ce qu'on a vu déjà, ça nous satisfait. On a vu un bon comportement des cultures, hein, euh, un bon développement, ce qui augure à l'œil nu, en attendant l'appréciation technique, et ce qu'on voit, ce qu'on constate. Euh, les deux parcelles où il y a des fertilisants, déjà on voit le comportement des cultures. vous-même euh, constater leur interpellation à que ce que l'on puisse augmenter, renforcer la mise à la disposition de cette Oui, on peut attendre plus. On peut dire qu'on est en stade de, de début parce qu'il y a des aménagements qui sont prévus et On va aménager cette 7200 hectares. hectare. Euh, on a prévu la production de 26 000 tonnes de semences. Et donc, tout ce qu'on est en train de faire, c'est les étapes de en place. je crois que les années à venir, nous pourrons avoir le projet, pour avoir plus de capacité à encore euh, élargir son centre d'action par rapport à l'accompagnement de la production visuelle.